الله الله الله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 مغالق للشر اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن السيء الأسقام اللهم فرج الكرب عنا وعن أهلنا وعن سائر الأمة الإسلامية أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليعلم أن من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عديد مقتدر اللهم التف بالمسلمين في جميع بقاع الأرض وفرج كربهم واصرف عنهم ما أهمهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم حفظنا وعنا واجعلنا من الذين يخافونك وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل آمين اللهم حبب إلينا الإحسان وجنبنا الفسوق والإسيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين آمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء آمين. ودرك الشقاء آمين. وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمين. اللهم بلغنا رمضان بلاغا ترضى به عنا وتقبله وتقبله منا غير فاقدين ولا مفقودين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون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 ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala le clément, le tout miséricordieux. nous a permis une fois encore de nous retrouver en cette table ronde en islam où nous nous proposons par la même grâce de nous entretenir des préparatifs du mois de Ramadan. En rappel, nous sommes aujourd'hui le 13e jour du mois de Sha'aban, c'est bien ça Inch'Allah. Euh, l'une des journées dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé pour tous les mois d'or. Euh, pour ceux qui sont habitués aux zones de 13, 14 et 15, eh bien, nous sommes en ce jour-là. Et donc, pratiquement à la moitié du mois de Shaban. Et euh, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé de beaucoup jeûner dans ce mois afin de remettre les organismes euh, remettre la pendule à l'heure, n'est-ce pas <laughs> euh, Une façon de rappeler que bientôt, Inch'Allah, comme tu l'as dit dans tes prières, qu'Allah nous montre ce mois, ce mois béni, et les compagnons n'attendent pas le mois de Sha'ban pour formuler de telles prières. Ils finissent Ramadan, ils cherchent qu'Allah leur montre le prochain Ramadan. C'est bien notre souhait. Eh bien, quand on parle de préparation ou des préparatifs du mois de Ramadan, il y a un problème récurrent, n'est-ce pas C'est celui de la vision de la lune. Euh, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que presque euh, euh on il y a un motafakon alayhi qu'aujourd'hui, euh, un peu partout, on est le 13e jour du mois de Shaban il y a ce consensus-là qui a fait qu'on a démarré le mois de Shaban ensemble et on souhaite le terminer également dans la même condition. Mais une fois encore, c'est la vision du mois de Ramadan qui le plus souvent vient perturber un peu euh, cet ordre de choses-là. Parce qu'il serait bien que le mois de Ramadan, le croissant soit aperçu le même jour afin que toute la communauté musulmane puisse démarrer le mois de Ramadan le même jour. Et ça s'est produit une année et on tire une certaine joie, une certaine euh, gaieté parce qu'on a commencé tous ensemble. On pense forcément finir ensemble et ça fait un peu euh, ce qui convient à cette communauté euh, d'être toujours ensemble, de conjuguer les mêmes verbes afin que nous puissions euh, être euh, euh, tous ensemble dans la foi et dans l'amour de ce travail qui nous attend, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Moussafa, salam alaikum. Wa alaikum salam alaikum. Alors, Aouzou Billah, Mishitanjim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا ونبينا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما بعد Ismaël, je crois que on a un peu ébauché sur les préparatifs physiques et moraux et financiers oui, qu'il fallait donc faire. C'est le plus important. Et pour ce qui est des jeûne de Ramadan ou du mois de Ramadan. Maintenant, en ce qui concerne euh, l'observance du croissant lunaire du mois de Ramadan, on ne le prépare pas. Mais on se remet à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il faut avoir la crainte d'Allah. L'unanimité là, elle ne, vient, elle ne vient pas tacitement comme ça. On ne va jamais être unanime. Malheureusement. Ah, Malheureusement. très bien, je, tout je suis heureux de t'entendre. Malheureusement. Parce que c'est comme ça. Quel que soit mhm. ce qu'on fait, il y aura toujours un, mhm. groupe ou des individus qui vont mhm. dire que non, non, ces gens-là, ils sont ceci. C'est-à-dire, l'important pour nous, en tant que leader, c'est d'appeler les gens à craindre Allah ah, Allah, son messager sallallahu alayhi wa et tous les autres messagers et prophètes n'ont jamais attribuer mm. la paternité ou le monopole d'observance de la ligne ou bien de la sincérité d'un acte religieux à quelqu'un. Ah, ah pas ça. Mm-hmm. Je m'en vais pour exemple. Le prophète qui, celui le, le maître de la guide, le guide de tous les autres guides, mm-hmm. comme l'a voulu Allah mm-hmm. Lui-même, il a été une fois d'aller ou amener à travers avec la vie des autres. L'un de ses entourage, mm. c'était à cheval qu'on est venu des Cham, on lui a dit mm. que on a vu vraiment parce que les chats s'approchent mm. et que dans son entourage, on a beau regarder, on n'a pas vu. À la de la... quelqu'un a pris les chevaux pour lui dire Ya Rasulullah, al-hilal al-ramadan. Il a demandé où sont les témoins ils ont des témoins avec eux sur les chevaux. Le prophète nous a demandé un à un, tu crois à Allah et à son messager mhm. Oui, je crois à Allah et à son messager. Mhm. Tu crois à Allah et à son messager Ça, c'est le premier pilier seulement. Mhm. Quand il accomplit, on peut te faire foi. C'est ce que ça signifie. Mais bon, Jean, pourquoi on ne va pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala Pourquoi pourquoi il faut qu'on dise que non, non, ce groupe-là, c'est toujours lui, non, non, celui-là, il a menti, non, non, non. C'est-à-dire, vraiment, notre religion, on devrait euh, lui éviter ça. On ne prépare pas l'observance mm-hmm. du croissant lunaire. Mm-hmm. Mais on se, prépare dès le cœur. Mm-hmm. Vraiment, on se prépare à quand Allah subhanahu wa dans tout ça. Tu n'as pas vu, ne parle pas. Quelqu'un a vu, on croit à, à, son, à, iman, à sa croyance, à sa foi et les, ceux qui sont chargés de diriger, parce qu'il faut informer où l'amr, Oulil l'amr. Ce sont à eux de déclarer les choses. Celui qui a vu, il n'a qu'à aller chez un leader religieux, Al-Khali, imam, chef de quartier, chef de village, chef de ceci, chef de cela, maire, préfet, chose là. Dit, moi je suis un, un citoyen, je suis votre administré. Franchement, moi et un tel là, nous avons aperçu ça dans notre quartier. Mhm. Vous croyez à Allah et à son prophète Oui, nous croyons à Allah et son prophète. Et mhm. nous croyons à chaque de l'islam. Mhm. Eh bien, il communique au supérieur pour dire que et, et, la nouvelle ramadan. Annoncer le ramadan demain parce que dans mon entité, moi je crois les deux témoins sont venus, ou trois, ou quatre, ou cinq, sont venus me dire que ah, l'ont fait. Vraiment, ça suffit pour tout un pays, pour mm. toute la Oumma islamique Mais malheureusement, mais pourquoi on ne veut pas copier le prophète mm. On se permet de, de, de, nous de nous activer les uns mm. des autres. Ça, je crois que l'islam n'a pas besoin de ça. On a beau faire ça là, ça n'arrête pas la roue de l'histoire de l'islam. Il y aura toujours des gens qui vont gêner. Maintenant, quitte à aider, s'assumer par rapport à leur avis ou par rapport à leur vision de choses. voilà tout ce euh, qu'on dit par rapport aux préparatifs de choses. Mais sinon, l'observance des de, de, jeunes, je vais venir pour les, ceux qui sont, les choses qui sont normalement, qui ont besoin de préparatifs pour ceux qui sont des jeunes de Ramadan. Mais ça là, ça ne se prépare pas, mais on prépare la foi, mm. le cœur, la crainte d'Allah. Mm. Voilà c'est. Et là, l'organisme que l'État a mis en place, l'organisme d'observation du mois de jeûne qui siège en l'occasion, euh, et celui-là, faut-il bien sûr lui donner crédit Oui. Et pourquoi je dis ça C'est-à-dire, quand on dit l'État, on a placé l'organisme que vous voyez là, j'ai fait partie. Mm. Donc l'organisme là, c'est que c'est pas sa parole. Ils ne sortent pas dehors pour regarder la Ligue. Ils sont dans les choses, ils, sont branchés, j'arrive. Mhm. Non, non, ils sont branchés. Parce que s'il faut sortir les choses là, quand est-ce que tu vas rentrer pour annoncer Mais mhm. ils sont dans la salle, mhm. ils ont des représentations, les gouverneurs, les préfets, un peu avant, sept ou 10 jours avant le ramadan, on informe l'autorité chargé des de, de cultes, mhm. à, l'occurrence donc le ministère de l'Intérieur, mhm. qui va faire un message pour dire réactiver les comités mhm. régionaux, départementaux, communaux, des On les connaît. Ce sont des imams, ce sont des sultans, ce sont des chefs de village, ce sont des marabouts, ce sont les, les et autres là. Ce sont eux qui se regroupent. Hein. Ce sont eux, c'est chez eux. Donc, elle le gouvernement au ministre de l'Intérieur, le ministre de communique mmh. à ce, mmh. Donc s'il y, a des erreurs parfois, mmh. ça ne prévient pas d'eux. Ça ne prévient pas de, parce qu'elles n'ont pas, pas d'abord, j'ai précisé ça, n'ont pas la paternité ni le monopole de cette euh, activité là d'observance des choses. Non que l'autorité a vie, elle m'a dit qu'elle a vu. Mm. Est-ce que moi, je peux démontrer une autorité non. je ne peux pas démontrer une autorité, mais je vais m'assurer des garanties. La garantie, c'est quoi Est-ce que cette autorité-là a pris soin de chercher les témoins mm-hmm. Les témoins sincères. Oui, oui. Mm-hmm. Oui, oui, elle a, elle cherché les choses-là. Mm-hmm. On a vu ça à Agadez. La même chose, la même on a vu ça à Bilma. On a vu ça à Tawa. Mais qu'est-ce qui va empêcher à cet organisme d'annoncer qu'on l'a vu à on l'a vu à chose, et les autorités des choses, ils ont confirmé ça, même pas à nous, mhm. directement aux autorités locales mhm. qui nous, qui nous disent les choses là. Mhm. S'il y a sanction, s'il y a une faute, les autorités devraient sanctionner ces gens-là. Au lieu de faire le WhatsApp, accuser les gens qui sont dans une, dans une cellule, dans une euh, chambre, en train d'attendre qu'on leur communique les choses là. Donc moi, c'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment s'armer de la foi et de la la Parce que c'est pas de la blague ça là. C'est pas on va mettre le, groupe de, conseil islamique devant, on va, on va, atteindre son erreur. Non, on n'a pas respecté l'Arabie Saoudite. Mais écoutez, mais lui il est là assis, comment voulez-vous mm. Je crois qu'Ismaël, il faut, les musulmans sont tous responsables devant cette affaire d'observance de, la ligne. Mm. Ou tu observes bien, tu as des bons yeux, ou... tu ah, ah. Alors, les musulmans euh, sont responsables de, l'observation de la lune. Bon, c'est une responsabilité collective, collective et puis individuelle. Ouais. Individuelle et collective. Oui. De façon individuelle, il arrive de ça. Oui, chaque, chaque, individu Tout à fait. Oui, de, de, voilà, de, de, du constat de. Absolument. Ah, ça, ça c'est clair parce que tout un chacun mm. doit jeûner. Mm. Il y a aussi des gens qui ne gênent pas, mm. qui, quand ils, quand ils vont voir, vont informer les, autres. Voilà. Donc, c'est ce que Mustafa a, a dit. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala dans cette affaire-là. Tout à fait évitons les polémiques. Mhm. C'est pas un jeu. Et c'est pas un acte culturel. Faut pas démarrer. Et ce n'est pas politique. C'est avec une controverse. Voilà, vraiment ça il faut, il faut éviter. Mhm. Donc ceci nous amène euh, à souhaiter que ce croissant soit vu dans les meilleures conditions. Ah, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on souhaite que vraiment les aléas atmosphériques mhm qui plus hein. ce sont, tellement qui sont accusables, mais on accuse les gens. On dit que non, mais s'il a eu des bourreaux à Niamey, certainement à n'a pas eu de bourreaux. Pourquoi à n'a pas vu ça Pourquoi ici Sissi, on a. Mm-hmm. Donc, moi, je crois que, euh, euh, euh, comme a dit Abdel on c'est un un jeu. Mm-hmm. Mm-hmm. Ramadan, c'est très important. Qui induit les musulmans en erreur Et bien, ah. vraiment, les ah. kilos les culot de son, de son péché là et de, son, de, son, de, sa, de, sa, de sa punition. Mm-hmm. Et le savait. Hein. Mm-hmm. Moi, je crois qu'Ismaël, rentre dans les préparatifs de choses Pour, la, pour le croissant linéaire là, mm-hmm. il faut avoir la foi et se taire. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a pas besoin d'invertir. Il faut taire ces discussions. Mais même l'autorité de culte, même le ministre de ne peut pas l'acquiser. Parce qu'elle l'alimente. Pourquoi on Elle l'alimente. Ah. Même s'il n'a pas vu lui là où il est, Elle l'alimente, le gouvernement mm, mm. a réuni un certain nombre de preuves, mm. de témoins. Il a dit, le respect, monsieur le ministre, vraiment, dans mon entité, j'ai devant moi l'imam est là, l'imam de la ville est là. par exemple, l'imam des Andes, Al-Khali est là, Ces gens-là ne parlent la foi. Mais c'est ça. Mais c'est les mêmes intérêts qui communique à ces cette, cet organe-là. Mhm. Il travaille avec, même pas avec nous, nous on, le branche avec lui, et on le branche avec l'intérieur. La même information qu'on lui donne, on lui donne. Mhm. Donc, c'est à en, les choses là, il nous dit que bon, comme on a 3D annoncé, et nous annonçons. Ça va là les trucs. Donc moi je crois qu'il faut avoir la foi. Il faut laver nos cœurs. Ah faire un bon ramadan. Il faut, éviter les choses Mais il faut le faire de l'unanimité qui est de faire dans les choses-là. Parce qu'un imam, le plus souvent c'est les leaders religieux qui font ces contestations-là, qui enduit la masse qui est derrière elle. Mais, écoutez. Là, c'est vrai Mais le plus souvent, c'est c'est pas le gens de la rue, hein. Mm-hmm. c'est des leaders. Ils disent que non, non moi je n'ai pas vu, je ne prie pas. <laughs> mais bien c'est ça. Mais si entre les, les mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. Mais qui me dit quelque chose là ah Mais toutes ces, toutes ces erreurs là, ce, sont ces, leaders là qui nous induisent dans les erreurs. Ah nous nous Moi-même, j'ai un imam devant moi. Il faut que Moi je, aussi, j'ai travaille avec quelqu'un. Donc, n'est pas indiqué de dire que non, non, moi, Mm. Je, je, ne suis pas euh, le Dieu de ces gens. Je ne suis pas prêt à accepter le mm. tant que mm. cette arrêtalité. Si on a donné non, ça va. Mais écoutez, il faut arrêter. Mais Allah, tu ne peux pas lui dire que le laisser à Gouda Obligatoirement, il faut qu'Allah te montre. Tu ne peux pas forcer Allah. C'est comme tu fais ça Allah. Bah, ces gens-là. Ces gens-là, chez eux, ils ont vie. Dans leur quartier, ils ont vie. Dans leur village, ils ont vie. Mais tu ne peux pas les démentir. Non, bien sûr. Quand tu fais, où tu ne fais pas ça, c'est entre toi et ton Seigneur. Mais ne dis pas la masse. Mm C'est lui qui est prêt à le faire. Tu dis, moi, il va voir un tel là. Je ne vous oblige à rien là. Je, n'ai pas vu, mais c'est lui qui croit à ça là n'a qu'à faire. Ah tu t'es déchargé. Mhm. Mais tu n'as pas dit que non, non, venez, on va prier ou bien on va C'est même un acteur représentatif. ne pas d'accuser un musulman que, que bon, puisque le prophète sallallahu alayhi wa nous dit qu'il faut toujours dire de bien du ah. musulman. Mais et puis, il a vu, toi tu n'as pas vu. <laughs> Mais avec quel argument tu vas dire que ce qu'il a dit est faux Voilà, Donc il faut se faire confiance. Ah, ah, pas même pas entre deux personnes, entre deux leaders. Les gens qui sont derrière toi, Qu'est-ce qu'Allah a dit Fi surat al-Anfal. يا أيها الذين آمنوا Allah أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Et vous qui ont cru à Allah et son messager, hmm. ne trahissez pas Allah, hmm. ne trahissez pas les messagers, ne trahissez pas les amana, les dépôts, la population qui sont derrière vous. La confiance placée en vous. La confiance placée en vous. Écoute bien, si Yaman, hmm. Allah a dit si Yaman, ça peut dire si Yaman si amour pourquoi Parce que tu connais que on a qu'à des étapes. Mm-hmm. Si en cas d'absence de telle chose-là, mm-hmm. prenez tel, travail. En cas de telle chose-là, prenez telle chose-là. Mm-hmm. tu, tu, tu, as tu, as de tout. Non, non. Comme c'est un temps de, de Bulma qui a dit ça, moi je <laughs> Je suis à plus de 1000 km de Bulma, je ne peux pas faire face. C'est ça en fait. C'est tu es dans ce, dans truc-là. Allah a dit là, là, Allah wa Rasoul tu وتخونوا tu as تعلم دقنقا دقنقا parce que toi tu es un mal un tel là et tu induis tout le monde ton village ton quartier en erreur mais qu'est-ce que ça va te donner et, on dit que les Niger non non ils ont fait ils ont gêné ils ont gêné le mois de Ramadan bon bon bon bon dans le même quartier à la Hachem la Tchawolombaï parce que l'imam de là-bas a refusé ah, mais écoutez est-ce que nous on peut corriger ça est-ce que le même autorité qui a le pouvoir public, qui a la force, est-ce qu'ils peuvent discipliner les gens par la force C'est la foi ici, c'est une question de foi. Exactement. Wallah, c'est à nous de, faire notre propre miracle, pas de nous. De nous faire violence sur nous-mêmes et s'accepter. Sinon, on va périr. L'islam n'a pas besoin de ça. Et moi, je crois que, franchement, ça là, on ne force pas les gens à préparer leurs yeux pour regarder les choses. Mais on leur rappelle que ils ont une amana et ils vont répondre. Voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à ces premiers aspects de l'observance de la ligne mmh. de mhm. ligne. Moi, c'est mhm. tout ce que je peux, dire. Peut-être, euh, si on va un petit peu continuer la discussion, mais pas pour longtemps, l'idéal aurait <coughs> été que, entre par exemple la Mecque et nous, il y a tout juste deux heures de temps. C'est-à-dire, si on devait voir la même ligne s'il la verrait eux à à 4 heures d'ici, ce qui va faire 6 heures chez eux. Nous, ici, à 16 heures, on aura vu cette lune jusqu'à 2 jours. Donc l'idéal aurait été que nous donnions crédit à ce que, quand la, la Mecque, on déclare avoir vu le croissant, c'est euh, ce n'est pas parce que c'est pas seulement deux heures, mais l'idéal aurait été que le monde entier euh, <laughs> puisse, je dis bien l'idéal, je ne peux pas euh, non, ceci, au niveau de notre C'est les gens à qui tu fais allusion qui me font un quoi. Bah, <laughs> tu vas voir que c'est pas, Non, non, non, <laughs> mais je, sais, je, dis c'est l'idéal. Oui, on pourrait s'entendre. dit les choses. Si on pourrait s'entendre, mais le drame, c'est que d'un quartier à tu viens de dire d'une mosquée à une autre, les gens ne, m'arrêtent n'arrêtent pas les jeunes ou ne démarre pas les jeunes à la fois. <laughs> Donc c'est c'est pas utopique, ouais. je dis c'est l'idéal. Mais bon, allons-y. J'ai sur le contrôle de mon frère, de Fatah. La Mecque que tu dis là. Est-ce que tu sais que tout de suite tu as dit quelque chose que la mec mm. il a bien fait les choses et on les respecte. Mm. tout, de suite tu as dit que nous sommes d'accord que dans le monde entier, les mois hégiriens et des 13 dit ça au début. Tout le monde est d'accord mhm. Mhm. c'est tout à fait. Mhm. Est-ce que tu sais que le calendrier régirien pour éviter ce genre de choses-là, en Arabie Saoudite, il y a un comité mondial de, mise à jour de ce calendrier et qui est financé euh, à fond par l'Arabie Saoudite. Mais ce sont les érudits de des pays musulmans des mondes entiers qui se réunissent chaque année. Je ne sais pas, avant c'était deux ou euh, euh, trois ou sept fois dans l'année. Mm-hmm. je ne sais pas le moment qu'il prennent prend stratégiquement pour régulariser et être uniforme. Mm-hmm. Ils, font ça, il y a, ce comité-là. Mm-hmm. Mais depuis un certain temps, je n'entends plus parler. Donc, ce sont des choses, euh, Ismaël, mm. que la Mecque, elle s'acquitte de son truc-là. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ne peut pas travailler avec la Mecque ou c'est plus que l'idée, parce que voilà la preuve que je viens de dire. Si elle voit ça tout de suite, le monde entier. Mais elle, surveille ça, ils ont ça comme mission. Mm-hmm. L'autorité royale mm-hmm. saoudienne là. Mm-hmm. Khadim al cest c'est-à-dire c'est un surveillant, serviteur, surveillant de tout ce qui est la foi. Il, n'a pas d'autre chose que de. Il n'a que ça. Il n'a que ça à faire. Donc, eux là, ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais est-ce que c'est tout le monde qui fait foi à... On dit que, même à la Mecque, on dit que... Non, c'est des wahhabistes, moi. <laughs> tu vois, il y, a toujours <laughs> un groupe qui va... Il y a une précision à donner. Oui. Chaque entité mm-hmm. administrative, mm-hmm. telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mm-hmm. doit pouvoir observer ça. Elle-même. Voilà. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au Niger, on constitue une république. Donc au Niger, le territoire au Niger, mhm. on doit être capable de voir la, lune On ne doit pas se fier à ce On ne va pas nous parler parce que parce que le voilà, bien sûr, vous venez tout à l'heure voilà, c'est l'activité mais, mais normalement si l'on dit qu'au Niger dans un département ou région on a vu la lune on doit pas Au Niger, on doit gêner. doit Tout le monde doit gêner. Hmm. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est n'est pas comme ça. Au niveau de la Mecque, et ils ont progressé jusqu'à avoir même des appareils pour scruter le ciel. Hmm. Hmm. Il me semble qu'ici, même, on a des appareils pouvant scruter le ciel au niveau de, la météo pour pouvoir... Ah voilà. Ah, voilà pour pouvoir et euh, Donc on peut, faire, l'observation. Il faut mettre la, la en, en Voilà. <laughs> si l'on peut trouver des appareils qui vont aider euh, à constater mm-hmm. le croissant lui mm-hmm. ce sera encore bon. et quand on va dire qu'on a vu, mm-hmm. alors là, ah, il faut cesser la polémique. Ah une fois qu'on dit qu'on on a vu que, les uns et les voilà, c'est les conjectures comme c'est un tel, je ne suis pas d'accord, comme c'est moi, moi, je n'ai pas vu, je ne serai pas d'accord. C'est ça qu'il faudrait éviter. Parce que ces discussions, quand on démarre euh, à, à controverse, eh bien, ma foi, il y aura des conséquences, ah, ah. notamment en ce qui concerne. La conséquence, c'est quoi C'est la division de la communauté Oui, tout à fait. Euh, et la détermination du de l'anneau de Kadal parce que c'est un écart. Bah, mais euh, on ne sait pas qui c'est pour les gens. C'est le premier A hein, qui a commencé, qui serait à cette lune-là, parce qu'il y a une seule lune. Hein. Bah, euh, s'il vous plaît, il y a une seule nuit euh, par an. Il n'y a pas, moi j'ai commencé euh, lundi, toi tu as commencé mardi. Le jour où j'ai commencé, moi, ça sera le 27e jour, ce sera ton 26e jour. Mhm. Alors, euh, euh, il faut savoir, donc il y a des conséquences. Mhm. Maître c'est qu'on démarre dans les mêmes conditions. Mhm. Et comme tu dis, il faut respecter les autorités qui annonceront. Parce que c'est bien que l'État s'occupe de cette affaire-là et une, toute une organisation est mise place pour cela. Qu'Allah nous montre ce jour où cette déclaration sera faite. Mhm. Alors, si nous devons rentrer immédiatement dans les préparatifs, nous avons que c'est psychologique, c'est physique, c'est aussi financier. Financier, je crois, ah n'est-ce pas Les trois paramètres, y a-t-il un quatrième, euh, n'est-ce pas On se prépare. Le physique est déjà un peu à dans ce mois. Hmm. Maintenant, c'est le. Euh, c'est le, le psychique, c'est-à-dire comment démarrer ah, le euh, il, faut, il faut comprendre ce que l'on veut faire il faut d'abord connaître ce quoi le oui, C'est ça, le rappel. Il faut d'abord rappeler oui, quoi le le Il faut s'imprimer. C'est important. <coughs> euh, je ne sais pas. Non, vrai. Le mois de Ramadan. Eh c'est quoi Ramadan Quelles sont les vertus Qu'est-ce que Ramadan euh, contient Et qu'est-ce qu'il faudrait éviter à faire au cours du mois de Ramadan Mais, ces chartes-là, cette condition-là, elle a toujours, elle a toujours existé. Mm-hmm. Même dans les versets qui instituent les choses-là. C'est comme si euh, une dîme Mm. Mm. il faut être de juste milieu. Mm-hmm. cest à il faut s'assurer d'un certain nombre de choses avant de s'embarquer dans mm-hmm. chose. Donc, pour, pour affronter une chose, même si c'est une fois, mm-hmm. il faut la connaître d'abord. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu ignores. Est-ce que c'est ici, est-ce que c'est là Donc, réunis les conditions qui vont te permettre de bien voir les choses. Moi, j'allais tout de suite passer directement Parmi les, conditions qui étaient citées, tu as cité trois. Le quatrième, c'est au niveau de, de commerçants, qui alimente les jeunes de la population. C'est-à-dire il faut qu'on apprend. Parce que jusque-là, ça continue. Il faut qu'on apprend à être équitable pendant les choses. C'est-à-dire garder les prix que nous avons là, à partir de Chabal, les prix qui sont sur le marché là. Permettons-nous de commencer les jeunes de la là, avec le même prix mhm. dans les marchés. Je m'adresse aux, commerçants. Mhm. Ils ont été évoqués plusieurs fois dans le Coran. Ceux qui pratiquent ce genre de choses, mhm. de, de, de, des inflations, de ce sont les Ashab rassi Ashab al et partout où Allah les a dit, il a dit, Si toutefois ils agissent dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu es déjà crucifié, tu es déjà brûlé. <laughs> Oui, l'entendement des choses, c'est-à-dire mm. al al mm. C'est la même chose. Mm. Donc, les gens là n'ont qu'à mesurer ces termes-là. C'est-à-dire, ça ne coûte rien du tout de commencer avec le même prix qui est, Shabbat là, pendant les Ramadan. Même s'il faut les choses, il faut qu'il les fasse avec sagesse. C'est-à-dire, en douce, la ne peut même pas sentir qu'on a augmenté un 5 francs ou 10 ou quelque chose comme ça. Parce qu'un commerçant ne peut pas l'empêcher de tricher, mais ne le fait pas ostentatoirement, c'est-à-dire ouvertement. Comme si, bon, moi, c'est apprendre à laisser. Non. Donc voilà là, le point le plus important à préparer. Il faut préparer la mentalité de ce commerçant-là qui alimente les gens. Parce que tout le monde n'est pas commerçant. Mais il me faut avoir le minimum de provisions qui vont me permettre de commencer le calme. Mais si dès les choses dès qu'on dit, on a vu la ligne là, la tire a des choses avec euh, coco là, les 2000, qui coûtaient pendant les Chabal là jusqu'à les 29 ou les 30 Shaban. Ça coûté 500 francs. Elle est devenue 800 francs. <laughs> où est-ce qu'on va aller Où est-ce que, je vais trouver les 300 à que je n'ai pas habité euh, euh, Parce que je viens juste de rentrer dans le ramadan avec le même prix ancien que je connais. Où est-ce que je vais avoir les 300 là Je n'ai pas prévu ça, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas ça. Est-ce que je vais arrêter de prendre le ramadan jusqu'à ce que j'ai ce 300 la complété ou commencer à prendre Écoutez, c'est le peuple qui a besoin d'être préparé, la mentalité de ces gens-là. Vraiment. Mais est-ce que c'est parce qu'ils n'évaluent pas le mois de Ramadan Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le mois de Ramadan qu'ils s'obstinent à vouloir agir de cette façon Je ne sais pas, je ne parle la Je ne sais pas parce qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que moi, je ne vois que l'autorité. Donc, si on laisse libre cours aux commerçants, ils vont faire ce que bon leur semble. Mais ils doivent craindre Allah. Ah, Allah. Si c'est craindre Allah, combien de fois les, marabouts sortent pour demander aux gens de craindre Allah Est-ce qu'ils ont. à prier avec eux. On prie avec eux, hein? on gêne hein? avec eux, on fait les. Suivez d'abord. Suivez. La parole seulement ne suffit pas. Oui, bien sûr. Parler seulement ne suffit pas. Il faudrait que l'autorité se montre. Mm-hmm. Dire que voilà ce que je veux. Et ça doit être respecté. Mm-hmm. Et il faut, on a l'habitude de voir des magasins appartenant euh, à l'État, mhm. là où les gens peuvent aller acheter les choses mhm. euh, à moindre prix. façon de casser. Euh. Mais, ces deux choses-là, maintenant, ont presque disparu. Avant, ça se passait Avant, ça se passait. on peut, partout dans les quartiers, on peut placer des, des, mhm. endroits, dire que bon, voilà, telle chose-là, il faut, voilà, dans le prix auquel ça doit se vendre. Ou bien, directement, l'État peut dire que bon, voilà, et de, tel article doit se vendre à tel, à tel prix. Et, tout celui qui, qui, dépasse ça là, il y a une sanction. quand l'État se tait, les gens vont agir comme bon Ça c'est vrai. Ça, ça c'est clair. L'État ne doit pas abandonner la population. Tout à fait. Ah, ah. tout à fait. Donc là, il y a Et, de plus, il y a un adage euh, euh, euh, africain qui dit que l'argent dit et ne tenez pas une réunion à mon absence. L'argent, L'argent. <laughs> Faut pas se réunir. Ne, tenez pas une réunion à mon absence. Non. Quand vous allez tout dire, il faut l'argent pour exécuter le projet. <laughs> tout à fait. Jusque-là, oui, jusque-là, les gens n'ont pas pu surtout les retraités dont on dit que bon voilà, le mois de janvier et de février, la pension va être payée. Jusque-là, il n'y a rien. Ah et le mois de Ramadan arrive. Ah et bientôt, Mars va rentrer dedans. Ça sera trois mois. J'en connais quelqu'un qui. Donc avec quoi euh, les retraités vont vont aller acheter. Ah et surtout quand ils auront affaire à des nouveaux prix qu'ils ne connaissent pas. et surtout des fois, il suffit que les commerçants apprennent que les salaires sont payés ou bien les pensions sont payées, qu'ils profitent encore pour augmenter les prix. Hmm. Alors, augmenter un prix pendant le mois de Ramadan, ça c'est ignorer ce que c'est que le mois de Ramadan. C'est une faute très très grave, n'est-ce pas D'abord, il, faudrait que euh, euh, l'État arrive à payer les pensions ou les salaires. Hmm. Oui, je pense que... on ne peut ne pas abandonner ces gens-là. Non. Si on laisse libre cours aux commerçants, wallahi, eux, ils vont fixer les prix tels que bon Ça, c'est clair. En fait, l'État doit. L'État a plusieurs rôles à jouer. Ah, trop. Euh, seulement. je crois que euh, semaine passée seulement, on a parlé de la bonne gouvernance ici. Mhm. On a évoqué beaucoup des aspects qui sont mhm. qui reviennent maintenant ou qui, mhm. qui, se recoupent ici. Écoutez, l'État là, l'État là, comme a dit, je le rappelle, je l'ai dit la fois passée, un, un, savant musulman pakistanais mm-hmm. dit que l'État il est né le mm-hmm. jour où l'affaire de tout le monde, l'affaire de moi, de tout de toute la Oumma, n'est mm-hmm. l'affaire de personne, il n'y a personne qui devrait s'en charger. C'est ce jour-là que l'État est né. C'est-à-dire qu'il est créé. Et on ne peut pas euh, euh, supporter ça si on n'est pas capable. On ne peut pas diriger si on ne peut pas être capable de réguler les choses parce que nan le Coran, Allah adi mm-hmm. inna arna al-amanata ala samawati wal ard mm-hmm. fa wal jibal fa mm-hmm. baina an hamilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula Allah adi kin ya fi in invite aux créatures qui sont dans le ciel, dans les sept cieux-là, premier ciel, deuxième, troisième, sept, jusqu'à sept. Vous, les créatures d'ici-là, qui peut prendre les affaires de tout le monde-là Qui peut diriger Al-Amana Qui peut les gens ont déclaré l'offre. On est parti même les sept sièges, les, toutes, cette terre, pardon, toutes les créatures qui sont là-bas, là. Vraiment, Allah vous invite. Qui peut prendre la amana À qui je vais poser ça Qui peut prendre la charge de tout le monde La L'affaire de tout le monde État Qui peut diriger Qui peut supporter gens ont déclaré l'offre. On est parti dans les montagnes où il y a des, monstres, il y a des, il y a des créatures vraiment puissantes, qui se sentent fortes rapide qui peut prendre. Ils ont senti qu'ils ne peuvent pas prendre. Ils se sont même éloignés, ils ont même d'autres se sont même accourus pour se de, de ça. Il y a l'homme, la double autorité de l'autorité, le chef, le, le, prince, les malik, les présidents, les, chefs. dit, moi, moi, moi, moi personne humaine là. Je, prends. Mais quand, quand tu prends là, Allah a dit que tu ignores que quelque chose va t'échapper. Oui, quelque chose va t'échapper. C'est-à-dire, il, il sera non seulement hypocrite, il ignore ça. Au moment où il prenait, il ignore qu'il va être hypocrite. Il ignore que, que certaines choses, il va l'ignorer. Il va ignorer certaines choses de sa mission. Il a pris. Maintenant, tu es en plein exercice de, ton pouvoir que Allah t'a donné, Allah t'a élu, t'a mis à terre. Mais tu vas t'assimiler tu ne vas pas partager ça avec quoi que ce soit. Ou tu tapes, ou tu ne tapes pas, c'est toi qui vas répondre de la souffrance que les jeunes vont faire. Donc c'est pourquoi l'État devrait avoir des initiatives. Comme a dit Abdel Fattah, aux approches de choses, la première de choses, c'est mettre les gens dans les conditions. Si les, la ligne est, est, les 17, ou on sait que les 17 probablement leur chose là. Les 15, il faut payer les gens. Mm-hmm. Il faut réunir la conditions pour payer les 15 ça coûte à un État voilà. Si l'argent aussi est là. Voilà, je ah, non, j'ai dit, ah, c'est bien, bien compris, bien compris. Quand tu as dit que l'argent, un agent a dit que l'argent a dit que. mais c'est ça. L'État veut payer que la peine. J'arrive Si l'État doit payer mhm. et que l'État manque d'argent, c'est aussi encore un autre ah, L'État n'a pas le droit de dire qu'il manque <laughs> Tu sais, diriger, c'est prévoir. Ah, Il faut faire des planifications, c'est ça que j'ai dit. Dans la rue pourquoi on n'a pas pu jusque-là payer les deux mois dont on a promis aux, retraités Parce qu'il n'y a pas les fonds. Ah, si l'argent y est, pourquoi ne pas payer Et s'il n'y a pas l'argent Moi, je suis en... Ils vont déjà arriver que janvier est déjà passé. Mais ils vont profiter pour rattraper janvier et février, les payer ensemble. Mhm jusqu'aujourd'hui. Mhm. Bon, on est encore le 4. Hein. Eh, eh, le, 4, quelqu'un qui, qui, est retraité, qui doit avoir euh, euh, sa, pension dans les 3 mois, tout, tout cela, on dit on est, le 4. Si le gars n'a pas, pas autre chose qu'il fait, il n'a pas une autre aide, c'est un problème. Je ne discute pas. <laughs> Ah! <laughs> J'ai dit diriger. Pour quelqu'un qui est Tu que moi, <laughs> c'est un autre adage là. Diriger, c'est prévoir. Tout à fait. L'état, c'est de programmation. Ces genres d'événements-là, ils sont connus. Ce sont des événements qui sont connus. L'État peut... Je ne dis pas... Euh, je ne peux pas dire qu'ils s'en foutent de choses, mais peut peut-être minimiser les choses. non, non, pour les pensions, là, ça c'est une chose. Même, un commerçant, une société, quand elle va jeter autre chose, un morceau, là, je peux m'occuper de ça. que qu'un autre truc plus urgent va venir qui de la sécurité, il faut nécessairement cet argent-là qui a été destiné pour ces gens qui étaient dit. Hmm. Mais l'État n'a pas d'autre argent que ça pour aller les faire. Donc, c'est prévoir les choses. Mais les événements comme ça, là, ce sont des événements, quelles que soient les choses, il faut les prévoir. Parce que c'est. Il faut les prévenir d'avance, même, le monde de, choses. Tout le monde est dans une situation de choses. Ah. Et les retraités et celui qui n'est pas les retraités. C'est le mois de, de fêtes. Mhm tu as euh, vraiment tu, as une honte. Si, toi, si moi, par exemple, je n'arrive pas à habiller mes enfants, mais c'est euh, au top. Cette honte-là, elle amène, mais l'État aussi. Parce qu'il n'a pas pu habiller Mustapha et sa famille, mm-hmm. qui sont, c'est des qui sont sous sa coupe, mm-hmm. que Allah a mis sous sa coupe et il a pris. Mm-hmm. Il a levé la main, dit que moi je peux prendre. <laughs> n'a pas, pu faire les choses. Mais c'est ça sa tête. Donc je crois qu'un État, quand on parle de l'État là, il ne faut même pas euh, trouver des failles. Non, non, c'est-à-dire l'État c'est un Il doit s'assumer. Il doit s'assumer, n'a pas à dire que non, non, je n'ai pas de moyens ou de choses là. Ça, mm. c'est hors de question. Mm. Donc il faut faire de planification. Des événements, des événements où tout le monde est concerné et que c'est stratégique. Mm. C'est stratégique. De, de côté, il peut faire autre chose en attendant. Si vous en souvenez certains produits qu'on utilise là, il vient dans le marché dit que le prix est cassé, l'État va payer les choses là. Payez-nous, on va vous donner plus. Ça, c'est pas de... Le, la, la, Mais ça, c'est pour un temps. C'est pour un temps, Ismaël. C'est-à-dire, je dis c'est ah, que l'État devrait faire. Il fixe les prix des, des denrées qui sont le plus souvent. C'est ce que j'ai dit. en recense. Avant, on le fait. Uh-huh. vous nous vous l'avez dit tout à l'heure. Avant, on le fait, le contrôle des prix. Là. Ah, Lui, il sait. Il est, de, il est un ancien agent des impôts. Il sait de quoi il parle. Avant, on fixe. Mais écoute, un temps, c'est prévoir les choses. Hein. Mais les impôts là-dedans, c'est pour Il faut voir le, carton de sucre au riba. C'est à 25 000. Mais si l'État décide de le, le, le, carton de sucre Saint-Louis, mm-hmm. à 26 000. Quand on va être à la porte du mois de Ramadan, tout, va monter. tout, peut encore monter. Et c'est là où l'État doit intervenir. Ah, tout, tout, voilà. Mais si déjà l'argent n'y est pas, alors peu importe. L'assistance n'y est pas. C'est catastrophique. Ça fait beaucoup de choses. oui. La dernière fois, on disait que euh, euh, euh, le lotus, là, mhm. qu'on achetait à 100 francs, mhm. c'est revenu à 100, 125. Ah bon Oui. Parce que les transports qui l'amènent, les gazole a augmenté. Ah d'accord. Bon. <laughs> Qu'est-ce que, que ça coûte à l'État pour deux, trois mois là mhm un, deux, trois mois. La Deux, aux choses là. La réponse le, est euh, le, le, la le n'a qu'à ravitailler. Le commerçant. Les, les et surtout que c'est des choses comme oui. tu dis, c'est connu quand même. les choses là. Une fois là. Après, c'est lui qui ne respecte pas les choses. Il faut aménager les prix. Il faut casser leurs taxes là. Si c'est 20 000, 22 ça à 17 000, moi je prends les, les, les gaps. Voilà moi, l'État, je prends le gap. Mais surveillez. surveiller, on a cassé les choses euh, à la mm. source, à la base. Mm. Vous, le connaissez là, celui qui ose faire ça, il a affaire à l'État. Mm. Mais ici, si on nous laisse avec eux, donc c'est comme ça, c'est-à-dire c'est Comment les empêcher ou attirer leur de l'État. Non mais bon, on ne peut pas leur faire comprendre que c'est un mois béni et que chacun cherche les commerçants, bien évidemment. Je te dis que l'État est solvable du tout, mais c'est lui qui montre. Les... 22 que les taxes ont augmenté, que c'est ce qu'il a dit là. Ça, c'est vrai. Mais si on dit que non, non, pour les trois prochains, avant l'arrivée de, Ramadan, on va dire que pour les trois prochains mois là, Ramadan, sa fête, la fête de, de, Tabaski là, mm. tout sais que ceci là, je casse je casse les choses là. Il fait un communiqué, il dit qu'il casse. Au niveau des services, on a donné déjà des instructions. Au niveau des services des impôts, du recouvrement des recettes, des assiettes, de quoi quoi là. On diminue, douane, on a diminué. Moi, moi État, j'ai dit de diminuer. Tout le monde a entendu, tout le monde a appliqué. Mhm. il met d'autres forces derrière. monsieur, c'est comment on a fait pour le gaz L'État a fixé non Les commerçants ont, ont aussi leur prix. Tout à fait. Qu'est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a eu suivi Parce oui, il y a des sociétés qui ont été sanctionnées. Mhm. Mais quand vous retournez maintenant encore sur, les lieux de vente, les prix sont encore presque les mêmes. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Ah L'État a fait une action. L'État dit que ça c'est 1800. Vous partez en vous faisant ça à 2000 francs. Ah Ou ailleurs, en vous ça à 2250. Ah Ou ailleurs, c'est 2500. Ah c'est Il n'y a pas de suivi. Ne fait pas comme Omar ibn Khattab, dont on a parlé de la bonne gouvernance, qui suivent pour voir les choses. Ils ne font pas comme. Euh, euh, à l'époque, hein. à l'époque, nous avons vu des présidents qui font ce genre de choses-là, comme Kunti Allah, Rabban Arhamou, que Dieu est son nom. il, fait ce, truc là Non, il fait, lui, ce qu'il. Non, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, les ils ne veulent pas se donner cette euh, peine-là. Nous, on était au lycée, on la vie, la vie, il circule, circule, je vous assure. Il circule, quand il prend une décision, il circule pour veiller stade cela. Moi, j'étais au lycée, j'ai vu. Et on a des responsables Donc, qui, qui sont censés s'occuper de ça. S'ils ne le font pas, qu'ils sachent que Allah soit notre Allah. Tu as donné, toi, autorité, les forces publiques. Les forces publiques, les autorités, la police, la, les gendarmes. tu les même les douaniers là, hum, hum, hum. qui ramassent l'essence euh, dans les rues là. quand c'est le prix éveillé C'est lui qui fait le choses Prenez-lui ou bien saisissez sa boutique. Vendez à quel prix là. L'essence, c'est pas l'essence de l'État. C'est l'essence de l'État. Combien de fois la population a demandé à ce que ça soit diminué Est-ce qu'on a diminué On n'a pas diminué le gazole on l'a augmenté, ça a été un problème pour la population. Est-ce qu'on a écouté la population Non, non. Et eh puis on attend encore. On ne perdons pas du temps. On m'a dit maintenant, hein, <laughs> Ismaël, hein, on m'a dit maintenant, j'ai cherché, je t'assure, hein, il faut essayer de voir. Peut-être tu vas te... On ne peut pas être dans des conditions pareilles et vouloir encore influencer les commerçants. Mm. C'est comme ça. J'ai cherché les lèvres là, donnent les bidons là. Les brigades et autres là. Mm, mm, qui, se vendait à 600 francs les mhm. petits, la petite bouteille. Ah, maintenant, on ne peut pas avoir de l'air. Tu sais, j'ai demandé, j'ai cherché à aller jusqu'à fatiguer, mais j'ai demandé les grossistes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait Ils ont dit que. Oh l'acheter. Non, c'est le transport. Transport, les, les gasoils qui amènent ça de Wanin, les kérosènes et autres là. Vraiment l'augmentation des, sur les prix des, des aliments. Ça, ça, impacte sur beaucoup de, de prix. Et ça, c'est un conteste. Tu ne peux pas contester ça. Et les gens regardent ça, et même, les commerçants, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Quelque chose que j'ai l'habitude d'acheter à, à 800, on me dit que maintenant c'est 1000 francs. Tu sais que je ne peux pas l'acheter. Ah, c'est Ça va, c'est périmé alors même que tu n'as pas vendu. Donc c'est ça que les gens craignent. Moi, il y a des commerçants qui m'ont dit ça. Hum. J'ai cherché ça. Alors, ils préfèrent ne pas acheter. Bien sûr. Mais, mais c'est pas de ne pas acheter. Ils ne peuvent même pas, parce qu'ils savent qu'ils vont courir à perte. Hum, hum, hum. D'abord, les gens n'ont pas été préparés. Parce que pour augmenter ou pour diminuer, il faut préparer. C'est pourquoi je dis que l'État prend du répit un temps, trois mois avant, pour préparer les choses. Parce que pour même pour prendre une décision là, ils ne la prennent pas tout de suite. Non, on prépare les gens à l'exécuter, mhm. à la respecter. Mhm. Comme ça, celui qui ne la pas ne va pas dire que on m'a pas informé, mhm. je, ne peux, je ne connais pas par comment procéder. Parce que même Allah a dit ça. C'est pas, c'est pas ça. Nous ne sommes pas punis, ou même nous ne sommes pas tenus rigueur de ce que nous faisons de bon ou de mauvais jusqu'à ce que nous recevons un messager. Si c'est en vertu de la religion que je fais ça. Bon, j'ai vu un mal qui a dit, eh, écoute, voilà comment tel verset a dit, voilà tel a dit cela. Ce que tu fais là, si c'est en vertu de l'islam là, c'est pas... en ce moment là, on commence à t'écrire C'est la même chose. Ah non, non, c'est nos coutumes. Quand tu auras les chefs coutumiers de ton chef, ils vont dire, eh, écoute, nos coutumes là n'ont pas dit ça, voilà ce qu'ils ont dit. On commence à t'écrire les, les péchés. Mm. Oui, mm. c'est Allah qui le dit, n'est-ce pas mm. Donc ici, c'est ça qui est l'autorité là. Parce que l'autorité oublie beaucoup de choses. Mais ils ont une place très prépondérante, Allah a dit Ya ayyuha allazina amanu, atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulul amr minkum. Regarde où Allah les a classés. Obéissez à moi, Allah. La même obéissance que vous faites, il faut la faire à un messager. La même obéissance que vous faites à un messager, faites-le, faites-la aux autorités, à ceux qui donnent des ordres parmi vous. Mhm. Bon, dis-moi quelle place propondante quelqu'un veut. Mais tu es bien positionné. Allah t'a positionné déjà. Mhm. Tu exécutes seulement. Mhm. Mais est-ce que c'est ça qui se passe aujourd'hui Voilà le problème. Si jamais on fait ça là, donc personne ne va se plaindre de quoi que ce soit. N'est-ce pas S'il y a une punition, tu sais que déjà, un messager t'est arrivé. Il t'a mhm. dit voilà les choses. a mhm. aussi ah, oh, une récompense, il va te féliciter pour dire que j'ai respecté ce que le messager m'a dit. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Donc les mhm. autorités, ils ignorent leur mission, la portée de leur place parmi nous, parmi nous autres là. Ignorer ou négliger. Hein? Ignorer ou négliger. Bon, il y aurait une église en même temps. <laughs> oui, parce que certains, certains gens là, mais diriger là, tu ne peux pas diriger les gens comme ça, tu ne sais même pas. Par exemple, un dirigeant religieux, tu ne peux pas euh, venir dire que, bon, moi je suis mal, j'ai lu le Coran, j'ai aimé les mêmes bûchers. Venez, je vais, je, faire le partage des héritages. C'est parce que tu as resté le Coran que tu vas faire le partage des héritages. C'est ça que j'ai dit, donc on y mhm. Il y a ignoré, il y a négligé les choses. Mhm. C'est deux à la fois, Ismaël. C'est pas parce que tu, tu as récité le Coran que tu peux faire euh, euh, les le, partage de l'héritage. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses qui t'échappent. C'est pas parce que tu as récité le Coran que tu peux être un exégète qui, qui peut faire tafsirs. Ce C'est pas parce que tu as récité le Coran que tu peux être un, un, un, jurisconsulte ou comment on appelle ça. Mhm. Donc c'est ça, c'est des spécialités. c'est vrai. Donc, voilà un peu les choses que, que j'ai dit. Mais l'autorité, c'est un tout, c'est l'ensemble de tout ça. Là. Mm, mm, mm. Une autorité, là, elle devrait être le tout. Voilà. Donc souhaitons que les salaires et les, <laughs> et les, pensions les <laughs> ah, tombent dans les plus <laughs> Accompagnés, soutenir par... Cela permettrait, euh, du côté financier, une bonne préparation du mois de Ramadan. Alors, il n'y a pas que le côté financier qui n'est pas des moindres. Ça nous a pris le temps que ça a pris parce que, comme disait l'agent, on a beau se réunir s'il n'est pas là. a pas la réunion est à rebond. L'argent étant, comme on dit, le maire de la guerre, nous, souhaitons que ça se passe dans les meilleures conditions. Bon, il y a cette préparation euh, aussi. Euh, le matériel, on a fini. Mais, ah, je pensais que tu euh, allais. non, non, hum, il, faut qu'on se dise que voilà un mois qui arrive. Alors il faut qu'on se donne le programme de réussir ce mois. je crois qu'il faut un programme pour le mois de Ramadan afin de le mener à bien. Quand on rentre dans le mois de Ramadan, sans programme, de toutes les façons, sans programme, on n'est pas compétitif en toute chose derrière dans la vie. Et si on ne programme pas, on n'est pas compétitif. Or, ce mois, l'idée qu'on doit se à l'entrée de ce mois, il y en a qui verront le premier jour, ils ne verront pas le deuxième jour. Le troisième, ils ne verront pas. Donc, euh, la prière que tu as faite d'ailleurs, de, prier qu'Allah nous montre le mois de Ramadan, son début, son milieu jusqu'à la fin, c'est un programme qu'il faut adresser à Allah subhanahu wa ta'ala et savoir comment le mener dans les bonnes conditions. Parce que le mois de Ramadan nous apprend à être autre chose que nous étions. On nous demande une transformation. On, on, nous demande de, ressembler aux anges qui, eux, ne transgressent pas les lois de Allah. Parce que l'objectif de le mois de Ramadan, c'est de se réformer. Et, pour se réformer, il, il faudrait d'avoir euh, son programme, je veux réussir mon mois de Ramadan, Inch'Allah. Il faut, voilà, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Euh, d'abord, on rentre par la crainte de subhanahu wa ta'ala. Euh, n'est-ce pas, c'est important. vous voyez, pour, pour, réussir Ramadan, non. il faut manger licite. Voilà. oui et beaucoup de gens négligent ça. Ah agent, on est agent et on mange de l'illicite. Ah, C'est comme si on cherche à annuler. C'est-à-dire, tous les temps, mhm. tous les jours, mhm. il faut manger licite mhm. pour que nos actes soient acceptés auprès de Dieu. À plus fort raison encore, le mois de Ramadan. Tout à fait. Ou, si les gens ne font pas attention, le repas de sourire, c'est illicite. Ah, -hmm. Le repas de la rupture, illicite. Donc, euh, c'est le fiasco. Oui. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Ah, il faut, faire, il faut surveiller ce que l'on mange. Parce que le prophète a dit, dans de, de, de ces hadiths, combien sont-ils ceux-là qui passent la nuit et la journée sans boire ni manger, mais qu'à la fin, hmm. ils n'ont comme récompense que, la soif et la, faim. Hmm. et la Il y a des jeunes qui ne sont pas agréés. Hmm. Ça, oui, il y a des jeunes qui, ne vont pas être agréés parce que le gars, il s'est mal comporté. Tout à fait, tout à fait. Peut-être il a regardé ce qu'il ne devait pas regarder. Il a écouté ce qu'il ne devait pas écouter. Il a touché à ce qu'il ne doit pas toucher. Il a dit des choses Voilà. Donc, euh, le jeuneur doit éviter les paroles obscènes, mm-hmm. les propos mm-hmm. mensongers mm-hmm. au cours de son jeûne. C'est-à-dire une, une, façon de dire que chaque jeûneur, le jour où il jeûne, ce jour-là doit être différent des jours auxquels il ne gêne pas. C'était ce que je disais, on essaie d'être autre chose. Ben bon, voilà, Donc, là, c'est un comportement que le jeune doit adopter. Le mois de Ramadan est fait, c'est pour se recréer. Est-ce que c'est de cette façon que nous abordons le mois de Ramadan il ne suffit pas seulement de s'abstenir, de manger, de et de boire, et éviter les déserts chanel mm. pour dire qu'on est en train de gêner. Mm. Il faut que les organes et tout les monde participent. Oh, voilà. C'est ça. Il faut qu'ils participent. Ah, c'est ça. Et, et aujourd'hui, avec le développement de la technologie, euh, je pense qu'il y a des efforts à fournir à propos de cet appareil qu'on appelle portable, dans lequel on voit circuler des mensonges, des, des diffamations, euh, des calomnies. Il faudrait que, en dans le mois de juin qu'on sache quel usage ah, ah. allons-nous faire de cet appareil-là. Moustapha, tu n'es peut-être pas. c'est-à-dire euh, programmation du ramadan. Non. Il l'a dit. C'est-à-dire c'est de l'intention إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى c'est un hadith il n'y a pas un travail d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui tient debout s'il n'y a pas une bonne intention dès le départ on dit que quand tu vois les hilal là tu dis Rabbi nawaitu soum هذا رمضان 30 يوما أو 29 يوما بإذن الله سبحانه وتعالى Seigneur j'ai vu la ligne et je témoigne que je vais gêner, je prends l'intention de gêner 30 mmh. jours ou mmh. 29 jours. Mmh. Donc ça veut dire que le premier jour devrait être égal au, deuxième. La même dévotion, le, même respect que tu avais pour le premier jour devrait être continu. Donc il n'y a pas de quand je veux un peu là, je vais m'arrêter. Non, c'est-à-dire je continue ou tu prends la nuit pour que ça continue ou tu ne prends pas. Mais la programmation, c'est dès le départ qu'on les fait. Mhm. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a dit à Fata, tu vas faire le calcul. J'ai mon argent qui va sortir de tel côté. Comment je vais faire pour avoir ça avant <laughs> chose J'ai mon, mon, argent qui les choses. J'ai quelque chose qui, qui va me permettre des choses. j'ai les approches de moi. <laughs> N'est-ce pas Parce que c'est possible que euh, le nom de moi, je ne suis pas dans, la nécessité. Mais maintenant qu'il y a la nécessité, je l'approche. Mm. De tout ce qui je programme vraiment, ce que je peux rompre un, deux, trois jours une euh, chose là mm. avant de préparer d'autres. C'est-à-dire au fur et à mesure. Mm. Donc, au moins, la programmation de ce qui va te permettre de tenir, qui va permettre à l'organisme de tenir là, tu devrais le programmer euh, sans entrer dans les licites de l'illicite, pardon, mhm. et sciemment. Mhm. Parce que l'illicite de Ramadan, c'est facile de l'observer. Si tu manges l'illicite pendant le Ramadan, mhm. tu rompes le Ramadan avec euh, quelque chose d'illicite là. Mais ça se voit, c'est des choses. Maintenant, par rapport aux appareils, au WhatsApp là, aux fake news et autres là, dans Allah, donc à avoir pitié de nous. Moi, je ne les fais pas et je ne les ferai ah, jamais. Je sais que ça ne te concerne pas. Moi, je ne les fais pas et je ne les ferai jamais. Mais je suis obligé parfois de les voir parce qu'on les balance là où je vais le voir. Dans Allah, c'est juste Les gens qui font ça là, il faut réserver ça pour eux-mêmes. Le ramadan, là, nous savons ce qu'il nous faut, nous savons ce qu'Allah nous a demandé de faire et son messager. Laissez-nous avec vos images là. On n'a pas besoin que vous nous mettez la, le croissant linéaire ou de dire ceci ou de dire cela. Vraiment, on n'en a pas besoin. Vous éviter les mensonges. Voilà. <laughs> le colportage. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette, cette, cette, question qui était posée. Nous sommes à deux minutes de la fin de cette table ronde nous ne pensions pas avoir abordé tous les sujets. Ah. Ça, reste encore. Le comportement même du, du là, nous sommes beaucoup plus euh, euh, axés sur euh, le côté financier, n'est-ce pas, et puis le rappel aux commerçants qu'ils doivent craindre Allah subhanahu et le rappel également à l'État d'avoir... De, Tout de suite, entre guillemets, pitié de, de ces retraités. Euh, pas une ah, de toute la De toute la population. De toute la population. Pas seulement C'est la même peine chez tout le monde. C'est-à-dire il faut qu'il soit... Vous voyez, avec l'augmentation du gasoil, hmm. et tout un chacun crie. Oui, oui. Tout, tout, voilà. Si c'est dans cette situation que les commerçants vont dire encore que Ramadan arrive, encore il va augmenter. Vous pouvez voir là où ah, ça va amener les gens kalla que ah ah qui a été dit su an tandu Allah mu c'est que ah. l'état est solvable de tout si l'état dit que écoutez l'état non si il va signer seulement sur un papier sur un que je signe le lundi mois de 31 de sur trois mois là l'augmentation sur le gazole est cassée qui va dire qu'on ne va pas casser qui même si ça pertient pas, on dit voir que non, non, c'est pas pour l'État, c'est pas pour le gouvernement. Moi, ce qui me fait mal, hein? pourquoi on ne produit pas de pétrole et que les choses coûtent cher chez nous Oui, on dit que par c'est pas de Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. La question n'a pas de réponse. <laughs> Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. Nous prions la semaine à de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises et qu'ils nous fassent partager les hasanat euh, contenues dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Mais ça part tu nous clôt la table. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mm-hmm. Allah sait que nous avons lu mal. Mm-hmm. L'erreur provient de nous et non du Coran ni des hadiths du prophète. Allah sait que nous avons mal interprété. L'erreur provient de nous et non de mm-hmm. ton Saint-Coran ni des لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم أصلحنا ديننا وديننا اللهم أصلحنا ديننا وديننا اللهم أسترنا بستك الجميل اللهم ارحمنا بالرمضان اللهم انفعنا بالرمضان اللهم آتنا ما نق... ما ما, ما نقدر رمضان يا رب اللهم سهل لنا اللهم سهل لنا لا إله إلا أنت إنك مالك الملك تؤتي من تشاء من تشاء بيدك الملك لا اله الا انت لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم استرنا بسك جميعا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 wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam الله الله الله الله الله الله الله يا أول يا آخر